Veste de 5 c'est les bras, ça, c'est quoi ça. Mohamed Ogo dingue depuis New York, dit Batiri, l'homme d'affaires. Maman Claude 225. na lasono wari chamamenana kumbabana kumbabana na lasono mobili chamamenana kumbabana kumbabana na lasono avion chamamenana bisu pays les temps et bat toi un jour viendra où tu vas pas de toi vive comme un roi et, et, et comme Samuel Eto'o dans les petits étoiles problème, après sois toujours fort, fort, oublie tes soucis, oublie tes problèmes, après sois toujours fier, fier dans le demi, c'est que c'est que, à merveilleux À la lega, à la lega, à la C'est qui a donné, à la lega, à la lega C'est Dieu qui a donné, alhamdulillah ala le kati ma sanu tawa ala le kati ma alhamdulillah ala le kati ma jama tawa ala le kati ma alhamdulillah ala le ka ala le ka ala le ka sete ki a donné o wa ala le ka ala le ka sete ki a donné o wa ala le ka ala le ka sete ki a donné o wa Papis le milliardaire Bazoro da mele azali kotokolanga na monema na biso langa mamala Il est sans il met pouvait dans l'homme ça Les musiques allaient se promener en jet privé Ciao ciao, affaire à suivre Disait, on est